Séoul, Sénégal. vidéo en direct vidéo apa nang Foto mau kasih telepon téléphone ngir gars yi ñu ngi Burkina Faso ah Burkina Faso benn compétition boo xamante ne baag la moom la ñu organiser fii nii quoi. Jacques, naka mu Salut mon ami, ça va L'Armstrong, on est en direct sur Facebook ah, ah, depuis Dakar. Oui, qu'est-ce que vous dites pour la course et les, amis du Sénégal Yes, I. Voilà, c'est ça. <laughs> Oui, voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Actuellement, on est au Burkina Faso, hein. prêt pour la course. On, vous parle Yes sais. Oui, il y a Jacques Fatima Diallo qui vous salue. Edmond, prêt pour la course Yeah. Arrivé depuis hier, hein, vers 2h du matin. Et la course ce matin. Yeah. Yes, I. Yes, I. Yes, I. Bekay Traoré, eh, Burkina Faso, Burkina Faso, le champion du Sénégal. Basso non. Moulay Feu gars xam le départ bi fa lay nek ah? départ bi départ bi la la won fa comme le c'est ici le départ en même temps c'est ici l'arrivée voilà c'est ça ici c'est un podium il y aura le spectacle après voilà, c'est ça. C'est ici que tout va commencer. Voilà, on est au Burkina. Burkina Faso. C'est ça. On est toujours en direct. Hein. On est en préparation, la course n'a pas encore démarré. le c'est comment Wow. Moulay, Moulay. Moulay vous salue. Oui. Moulay, il y a rien de ou quoi C'est dans la précipitation. Billahi. Mongok. Moussaba, regarde. Oui. fait là, on est fiers de vous. Famille, famille, famille, famille, famille, famille. 5 Yes, I, Edmond. Yes, I. voilà prêt pour la course yes I jaajëf waay parce que dafa leen teel a toogloo moom pour mu toogloo leen. on commence gul ngeen kii. Merci Moulay. Merci Moulay. Euh, la course n'a pas encore débuté. Hein. D'abord, il y a une catégorie qui commence. Ensuite, ce sera pour les Makumbossar et Elmo. moo kii ko ba appareil wala. wala ñu c'est bon mu nekkoon ni waaw. Dieu n'a pas la ça c'est nos amis du Burkina Faso eux aussi ils vont compétir on va faire une photo Ça, c'est l'Armstrong, le champion du Burkina on va faire une photo en famille avant la course quoi. La course n'a pas encore débuté. Voilà, c'est ça.